faire une déclaration importante. Après cette déclaration, si vous avez des questions, merci de vous rapprocher de l'attaché de presse Al-Alassane. Merci de votre confiance. Il y a également des copies du discours qui vont être disponibles avec l'attaché de presse Al-Alassane, je le trouve là-bas derrière. Madame Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord euh, demander une minute de silence à l'endroit des jeunes qui ont perdu la vie lors des dernières manifestations. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Mes chers compatriotes, après avoir longuement réfléchi sur la situation politique actuelle du pays et soucieuse comme l'ensemble des citoyennes et citoyens de la nécessité de faire tous les efforts utiles à la préservation de la paix sociale, consciente des valeurs dont je suis porteuse et auxquelles je suis profondément attachée et qui fondent mes actions de tous les jours et tous les actes de solidarité que je mène depuis plus de deux décennies. Vu mon attachement aux valeurs républicaines et surtout à l'unité et à la cohésion de notre chère nation, compte tenu de ce que l'intérêt général prime sur les intérêts de chaque citoyenne et citoyen, et que la paix et la stabilité de nos institutions sont primordiales et doivent constituer le socle sur lequel sont assis notre République, notre démocratie et notre commune volonté de vie commune. J'ai décidé, en toute souveraineté et après une large concertation, avec mes compagnons du mouvement Sénégal Nouveau, mes parents et amis, de retirer ma candidature à l'élection présidentielle de 2024. Je voudrais néanmoins rassurer et remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait l'honneur de porter ma candidature. Le jour finira par se lever très bientôt sur une certitude, la renonciation à cette nationalité non définie. Toutes les preuves attestant de la sincérité de ma déclaration sur l'honneur seront tenues à la disposition du juge. La paix et la réconciliation de tous les enfants de ce pays sont très largement au-dessus de toute ambition. C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer aux mien en espérant que cela facilitera la continuation du processus électoral dans un climat apaisé et que les élections puissent se tenir avant le 2 avril 2024, je le précise. Je continuerai à servir avec encore plus de passion et de détermination mon pays. Mon engagement en politique ne fait que commencer. Ensemble, prions pour un Sénégal de paix, de fraternité et de solidarité. Merci pour votre aimable attention. Assalamu alaikum Boromi. Je ngi nuyu Sénégal di nuyu diaspora Nous quittons nuyu sunu

dama leen bëggoon a fàttali ne docteur Rose Wardini ñu nekk seen kanam dafa juddoo Sénégal màggee Sénégal am ci lépp depuis ñaar fukki at ak juróom mu nekk ci gox goxaan yi di taxawu Sénégal yi di liggéey pour Sénégal yi te mosut a am benn poste gouvernement wala benn post boo xam ne war na mën a tax ñu wax ñàkkam ak alalam la jël jox Sénégal yi yëpp di ci liggéey depuis ñaar fukki at ak juróom. donc kooku mel noonu defe naa parrainage war na yi bëri woon na torop nag ñuy waxati beneen coow ñëwati muy affaire double nationalité loolu nag duma ci puus bu baax parce que la ma waroon def yëpp def naa ko te violé wu ma benn charte constitution ndax la ma waroon def ba ma koy def def naa ko te déposé ko fa ma ko war a def defe naa ne fii ci gàtt da ci am lu leer ñun nag Sénégal nouveau dañoo yàgg xeex ci li nga xam ne mooy paix ak stabilité suñu réew mi ndegam coow li bëri na nag bëri na torop ñun dañoo jël benn dogal mooy gannaaw si tey si ma génnee suma candidature ci élection yi ndax jàmm lañu bëgga ak élection yoo xam ne dafa lalu ci jàmm ku war a gañe gañe ñu jàppale ko mu jiite réew mi ñu liggéey suñu Sénégal ndax mérité nii ñu vraiment fitna fitna mérité wuñ ko may sant nag bu baax ñëpp ñu nga xam ne ànd nañu man di liggéey jéggalu nag parce que lii dañ ko waroon a def ndax suñu intérêt dañ koy jël teg fële jiital intere réew mi bu dee coow dafa nar a am ma teggi suma intérêt teg ko ne

Il n'y a pas de questions. Il n'y aura pas de questions. Vous voyez avec l'attaché de presse, avec les il y a des copies. Et vous voyez l'attaché de presse. Mais nous avons des questions. Question. Hein. Il n'y a pas de questions.